les petits génies, les petits génies prophetic dur de se sentir seul, que c'est dur. Une journée mémorable va arriver. Demain, c'est mon anniversaire. Demain devrait être un jour de réjouissance. Je devrais faire la fête. Mais mes amis m'ont tous abandonné. Que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Où est ma mère Et où est mon père Ils sont partis loin. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Avec qui devrais-je rester avec qui devrais-je fêter Que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Je ne savais pas que Uncle T se sentait aussi seul. On aime tous son rap, ce cher Uncle T. Mais je ne savais pas qu'il se sentait aussi seul. Qu'est-ce qu'on doit faire Les amis, vous savez quoi Demain, c'est l'anniversaire d'Uncle T. Comment le sais-tu Parce que je l'ai entendu chanter. Vous auriez dû le voir, il était tellement triste. Il était genre que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul. Hmm c'est dur d'être seul. <laughs> Les amis, on ne devrait pas rire. C'était vraiment très triste. Vous auriez dû le voir, je pense qu'il se sent vraiment seul. Vous savez quoi On devrait organiser une fête pour oui, lui. Oui, organisons une fête surprise. Bon, on a besoin de gâteaux, de jus, de ballons, de chapeaux, de pilaf et d'invités. Invitons Maman Ndege, Petit Tambo et les <laughs> autres animaux. on ne peut pas avoir de riz pilaf sans inviter rire. <laughs> <laughs> Petit Timbo, appelle les autres animaux. <laughs> Bonjour les amis. Bonjour. Où tu vas, Nigadere J'emmène ma famille en ville. Ah, tu vas en ville On peut y aller ensemble On organise une fête d'anniversaire de Uncle T. Et on doit s'approvisionner. Vous voulez vous joindre à nous eh Ben, montez. Ma montgolfière ne peut transporter que 200 kg, donc quelqu'un doit descendre. 200 kg Je pèse 200 kg Ah <laughs> oui Donc tu vas devoir descendre. Comment pouvons-nous savoir que nous ne faisons pas plus de 200 kg Allons jouer à bascule pour tous nous peser. Continuez de monter jusqu'à ce que nous soyons en équilibre. Si on est en équilibre, on saura que notre poids combiné est égal à 200 kg. Hey, vous pesez plus de 200 kg. C'est pour ça que votre côté est plus bas. Ok, Kibena, tu restes avec Petit embout. Voilà, maintenant vous pesez exactement 200 kg comme moi. Ah, où vont-ils Pourquoi ils ne m'ont rien dit que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Je t'ai entendu appeler le petit Timbo. Où sont les autres ils sont partis. On organise une fête d'anniversaire surprise pour un C'est demain l'anniversaire de Uncle Hein? Je ne le savais pas. Mais c'est un secret. Ne le dis à personne. On veut le surprendre. Les autres sont allés en ville pour faire des emplettes. Nous, on est restés pour chercher des ballons et du jus. Ouais, j'apporterai les ballons pour l'anniversaire. J'ai beaucoup de ballons à la maison. Un sac entier même, tu vois Un gros sac de ballons c'est un très gros sac. Et il est plein de ballons. Vous voyez ah ah. Waouh, non, il sera très lourd. Vas-y, petit Tambo. J'irai prendre un carton de jus à la boutique de Mzikigo. Maman Dengue, reste ici, s'il te plaît. Hein? On a décidé que tu feras la cuisine. Quand les autres rentreront de la ville, tu hmm. commenceras à cuisiner. Cuisiner un délicieux plat de pilaf. Ah Ça vous plaira, <laughs> surtout en guédéré. Hey, ce n'est pas lourd du tout. C'est très léger. Oncle Tu transportes des jus. Pour quelle occasion hmm. Tu organises une fête Je ne m'attendais pas à te voir. Laisse-moi t'aider à transporter le carton. Ne t'inquiète pas, il n'est pas lourd. Tu peux continuer à te promener. Au revoir hmm. et bon après-midi, Oncle que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Hey Tu es vraiment fort, petit tambo <laughs> Tu as réussi à porter le sac plein de ballons. Moi, je n'ai même pas pu porter mon petit carton de jus. <laughs> Et tout ce que tu as utilisé, c'est ta trompe. Laisse-moi essayer de le porter. Ah C'est lourd C'est un petit carton, mais il est lourd. Et moi, j'ai un gros sac qui est léger. Tu sais quoi, Kibena Écoute, Échangeons-les. Prends le mien. Ok. Tu veux dire que quelque chose de gros peut être léger et que quelque chose de petit peut être plus lourd Waouh, c'est dingue, petit Timbo Oui, j'ai découvert que la taille ne détermine pas le poids. Hmm? Et mais c'est Kibena. Elle n'avait pas besoin de mon aide, mais elle est prête à se faire aider par le petit Tembo. Je me sens vraiment seul. Que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul, que c'est dur d'être seul. Hmm. Que c'est dur d'être seul. Hmm que c'est Dieu d'être seul. Bonjour, monsieur le marchand. Bonjour, les enfants. On voudrait acheter du riz. Quelle quantité de riz Beaucoup. On organise une fête aujourd'hui. Je ne sais pas de quelle quantité on a besoin. Un millier de grains de riz, ça suffit <laughs> On ne vend pas le riz en détail, mon petit. On le vend par kilogramme. Combien de kilogrammes voulez-vous Dites-moi. C'est quoi un kilogramme C'est la même chose qu'un kilo Qu'est-ce que ça mesure <laughs> Écoute, jeune homme, un kilo, c'est l'abréviation de kilogramme. Un kilogramme, c'est pareil que 1000 grammes, mon garçon. Les grammes et les kilogrammes sont utilisés pour mesurer le poids. Ah, je comprends, monsieur le marchand. Donc, on est quatre enfants trois singes, non, attendez, quatre singes, deux éléphants et une girafe. de combien de kilos de riz avons-nous besoin Des animaux sont invités à votre fête le sont, mais les animaux ne mangent pas de pilaf. Il n'y a que nous, les enfants et les mhm. qui mangent le pilaf. Dans ce cas, je pense que 6 kg feront bien l'affaire. Koba, regarde, c'est comme le jeu à bascule dans lequel on est monté. Tu vois, de ce côté, on place deux pierres. Une des pierres pèse 5 kg et l'autre 1 kg. Ensemble, elles pèsent 6 kg. Ensuite, on place le riz de l'autre côté jusqu'à ce que ça soit en équilibre. Ah, ils sont au même niveau. Ça veut dire que le riz pèse 6 kilos. Merci, monsieur le marchand. On a aussi besoin d'huile. Combien de kilos d'huile devons-nous acheter On <laughs> vend l'huile par litre. monsieur le marchand, c'est quoi un litre on peut mesurer l'huile en kilogrammes, mais on a l'habitude de le faire en utilisant le volume. L'unité de volume peut être le litre, le millilitre et autres. Vous m'avez bien compris, j'espère. On ne peut pas mesurer l'huile en kilogrammes Bien sûr, on peut mesurer l'huile en kilogrammes, mais on a l'habitude de le faire en utilisant le volume. On va prendre un litre, ça suffira. Je comprends maintenant, monsieur le marchand. Merci. Merci. Paraka, Koba, vous êtes prêts à partir On est prêt, allons-y. Pourquoi êtes-vous en retard Quand allons-nous décorer Désolée d'être en retard, Maman Degay, mais aujourd'hui on a découvert qu'un petit carton de jus est plus lourd qu'un gros sac de ballons. C'est quand même fou, non J'ai dû échanger avec Petit Tambo. Donc vous savez maintenant que le poids et le volume peuvent être différents. Maman Dégué, aujourd'hui, on a appris comment mesurer le poids et le volume. On mesure le poids en kilogrammes et les litres en volume. C'est très bien, Baraka. Bon, les enfants, laissez les animaux préparer. Et vous, allez décorer l'espace. Ah! Le poids et le volume sont deux différentes mesures. Ah ah! Ah ah! Le poids sont de différentes mesures. Ah ah! Ah ah! Le poids se mesure en kilogrammes. Le poids se mesure en kilogrammes. Ah ah! Ah ah! On mesure le volume en se servant des litres. On mesure le volume en se servant Ah, ah. Ah, On mesure le volume en se servant des litres de poids. Se mesure en kilogrammes de poids. Se mesure en kilogrammes. On mesure le volume en se servant des Oh, je suis fatiguée et j'ai soif. Moi aussi, Kidouchou. Ouvrons une bouteille de jus. Prenons le plus petit de tous. Celui-ci est le plus petit. Non, regarde, c'est celui-là le plus petit. Pourquoi ne pas mesurer leur volume Comment pouvons-nous mesurer leur volume On mesure le volume en litres. On n'a pas les outils pour mesurer les litres. Ils ne sont pas nécessaires. On ne peut pas comparer les volumes si on a des bouteilles de différentes formes. Utilisons cette grande cruche. On versera le jus dedans pour voir où il y en a plus et où il y en a moins. C'est étrange. Il y a plus de jus d'orange que de jus de pomme, mais la bouteille de jus de pomme avait l'air plus grande. C'est vrai. On vient de constater que le jus de pomme a un plus petit volume que les autres jus. Alors, buvons celui-ci et laissons les autres pour la fête. c'est à quelle occasion Que se passe-t-il Pourquoi faites-vous ça hmm. Pourquoi m'avez-vous isolé hein? C'est parce que je suis la seule girafe de la forêt j'ai vu certains d'entre vous partir avec des ballons. J'ai même essayé d'aider Kibena à transporter des jus et elle a refusé. Et maintenant vous organisez une fête, vous m'avez pas invité. Ah, je vois. Ok, je pars. <laughs> Mais pourquoi vous riez Est-ce qu'on lui dit Regarde derrière toi, Oncolti. Hein Hein Oh anniversaire, Joyeux anniversaire, on On t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, on Kanti. Hmm? On n'est pas des girafes, mais on est une famille. Oui. La famille, ce sont les gens qui nous aiment. Mm-hmm. Et même si nous sommes tous de formes et de tailles différentes, on t'aime D'accord, d'accord, d'accord. Et on t'aimera toujours en qualité. Merci beaucoup, je vous aime aussi. Merci, merci. Yo, que vous le croyez ou pas, je suis un coltie, je suis né heureux, le MC de la forêt. Vous ne me croyez pas, j'écris avec assurance et quand je rappe, tous mes amis dansent. J'aime mes amis et je ne suis pas hypocrite et malgré ça, je n'ai pas la grosse tête. Je fais attention, la musique c'est ma vie, j'aime le rap, mes amis aussi. Chaque fois que je rappe, je vais vous entendre dire Uncle T, Uncle T. Chaque fois que je rappe, je vais vous entendre dire Uncle T, Uncle T. Chaque fois que je rappe, je vais vous entendre dire Uncle T, ouais, Uncle ouais. T. Chaque fois que je rappe, je vais vous entendre dire Uncle T, Uncle T, Uncle T, Uncle T. commençons à manger. Ngedere, arrête d'être impatient. Ça m'a fait, où est-ce que tu aurais eu la nourriture Hey, écoute mon ami, tu as toi-même été invité à cette fête. C'est grâce à moi, grâce à mes contributions, qu'il y a une fête. Ne parle pas si fort. <laughs> Les autres vont nous entendre. Tu sais, je suis trop joyeux. <laughs> excuse-moi mon ami, excuse-moi. Hein? hein? bouteille de jus acrobatie mentale chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes, utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème As-tu la réponse Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie maintenant. Essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours Vous avez bien compris <laughs> Très bien.